Euh, nous, nous sommes consacrés uniquement à la production du gel euh, bactériel antiseptique. nous avons même euh, arrêté euh, toute autre production comme les crèmes, les laits. Ça s'est passé pendant au moins un mois. Et je voulais dire surtout aussi que notre souci, c'était de faire en sorte que toute la population ait accès à ce produit. Et de ce fait, nous avons contacté les répartiteurs pharmaceutiques parce qu'il y avait une spéculation sur le marché, bon, tout le monde est au courant de ça. Un produit qu'on vendait à 350 se retrouvait à 1000 francs sur les étagères. Et ce n'est pas n'importe qui qui peut payer euh, cette somme-là. Donc nous nous sommes euh, rapprochés des répartiteurs pharmaceutiques et euh, cela va nous permettre de, mettre à disposition ce produit donc à toute la population et surtout d'éviter la spéculation, c'est ça qui est très important aussi. Aujourd'hui, au point de vue fabrication de masse, il n'y a pas à s'inquiéter. Euh, moi, je suis chef d'entreprise et je préside une organisation professionnelle qui est la Fédération nationale des professionnels d'habillement du Sénégal, installée dans toutes les régions du Sénégal. Et par conséquent, avec un effectif assez important pour faire le travail qu'il faut. Je pense que euh, après avoir fait le recensement de certaines zones, au niveau du département de Guédiawaï, on a recensé plus de 1000 et quelques artisans disposés à travailler dans ce sens. Hier, on a eu à distribuer 50 000 masques à l'ensemble des terres qui sont dans la banlieue, pour tout simplement faire ce travail en respectant les normes. Parce que ce qui aujourd'hui est malheureux, c'est parce qu'on pense que les masques, c'est du stylisme, c'est loin d'être du stylisme. Il y a une réglementation qu'il faut respecter, il y a des normes, et je pense qu'on travaille sur ces normes-là avec euh, la de normalisation. Alors, et je pense à ce niveau aussi, ça se passe très bien, on reste strictement les normes pour quand même donner aux Sénégalais des, des masques de qualité. En termes de stratégie, nous ne pouvons qu'applaudir l'État du Sénégal, applaudir euh, certains citoyens, ce qu'aujourd'hui a eu à faire le président Gorach, qui a une renommée qui aujourd'hui n'est plus à prouver qui est un excellent entrepreneur et qui aujourd'hui, effectivement, le dit, même à titre gratuit, a su monopoliser autour de lui ses professionnels pour pouvoir faire disposer de masques à l'ensemble des citoyens sénégalais. ci ISEN bi jël nañ ci considération atelier yu koy liggéey gis ngeen ko ISEN la am ak bu responsable yëpp ñi ngi nekk actuellement ci sous ci bi alors que pour teg tailleur yëpp ci yoon ñu mën koo liggéey ci liggéey bu baax li li nga xam ne moom laa ci yokk ci li mu wax mooy boo demee ci mbedd mi dafa am ay masque yu bari yoo xam nit ñaa ngi fiy jaay li ñuy yëgal ministre bi nag di ko ragal ñun en tant que des professionnels saafara su jur jàngoro saafar su jur jàngoro mooy lan mooy defar ay masque pour mën a interdire maladie bi far mu yokkal ñu beneen feebar donc moo tax ñu bëgg ñu taxaw ci état bi xam ne Euh, euh, euh, masque yi ñi tak du ay masque yo xamni ne yéen dañ ko jëlé ci mbedd ay ay techniciens ñoo def étude ba génné produit bu fiable bo xamni Sénégal yépp mën nañ des mën nañ koo sol te du am benn jeexital bo xamni bu graw la. L'enjeu est d'encourager la fabrication de ces moyens de de protection mais également de protéger nos industries contre la concurrence déloyale, la contrefaçon et de garantir euh, aux consommateurs des produits de qualité pour préserver leur, santé. Euh, c'est d'ailleurs dans ce cadre que l'association sénégalaise de normalisation euh, a élaboré en urgence une norme pour les masques barrières et une autre pour les gels alcooliques. ces normes seront bientôt d'application obligatoires et sont disponibles sur le site de, l'ASN. Euh, les programmes également de certification de marque nationale NSQ qualité sont en train également d'être euh, mis, en, en, place. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes en guerre hein, contre le coronavirus et aucun moyen de lutte n'est de, de, trop. nous tous, tout le monde doit s'y mettre. Euh, pour que ensemble nous vainquions euh, ce mal euh, terrifiant.